Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Nos programmes sont diffusés via donc notre réseau 52 Radio partenaires ainsi que cette télévision dans tout le Niger. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la conférence de presse animée par le commissaire européen sur la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Niger. À suivre également l'analyse de nos confrères sur la hausse des prix de certains produits de grande consommation au Niger depuis le dernier trimestre de l'année 2021. Nous parlerons également de la septième édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage et de l'environnement Sahel Niger 2022, tenu du 25 février au 2 mars au palais du 29 juillet. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio El Haj Suleiman Mamadou, directeur de rédaction du journal Niger Inter. Bonsoir El Haj Suleiman. Bonsoir Fatih. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir Fatih. Et Memoun Gado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Fatih. À la modération, je suis Fatih Zakari. Près de 4 millions de personnes pourraient être en situation de crise alimentaire en juin 2022 au Niger, soit 15% de la population, a annoncé le commissaire européen à la gestion des crises. L'Union européenne promet ainsi une aide budgétaire de 43 millions d'euros comme contribution à la prise en charge des populations. Donc, Maimouna Yadou, Parmi les causes qui expliquent cette situation d'insécurité alimentaire, on peut, citer entre autres les effets du changement climatique qui font que les récoltes ne répondent plus aux besoins des paysans. La situation sécuritaire avec de nombreux déplacements des populations. Alors, que dire cette situation, Mme euh, Merci donc, euh, Fatih. La situation, comme vous l'avez dit. Euh, dite, euh, de crise alimentaire euh, qui peut affecter plus de 4 millions de populations juin d'ici juin 2022. Mhm. C'est une réalité parce que, comme vous l'avez dit, le changement climatique euh, ainsi que l'insécurité sont en fait les facteurs de la cause, bien sûr, donc de cette situation. Quand vous regardez, c'est surtout dans les zones comme euh, le nord Tilabiri, mm-hmm. la zone de Tilabiri, la région de Tilabiri, si je peux le dire ainsi, avec euh, la, région du Tifa, mm-hmm. mm-hmm. un peu vers euh, le nord Tawa. Maradi aussi, parce que, en fait, mais quand on regarde, mm. c'est surtout la zone, la région de Tilabiri, qui est la plus grande. Euh, en tout cas partie euh, affectée par cette crise alimentaire, parce que c'est une zone agro-silvopastorale. Avec l'insécurité, ces populations n'ont pas pu, en tout cas, euh, vaquer à leurs occupations, ça veut dire régaliennes, qui est l'agriculture. Mhm. Et donc, il faut nécessairement que ces populations, que l'État du Niger réfléchisse avec ses partenaires comment est-ce qu'il faut faire pour venir euh, à bout de cette situation. Mais néanmoins, néanmoins il faut également euh, essayer d'aller vers une agriculture mécanisée parce que nous savons que euh, jusqu'à présent, dans certaines zones, c'est l'agriculture archaïque que nous sommes en train de mm-hmm. faire. Donc, il faut également mettre moderniser, moderniser mm-hmm. ce secteur, mm-hmm. mettre beaucoup de financement dans ce secteur pour qu'il euh, n'y ait plus à revenir sur cette situation de crise alimentaire. Nous avons, nous avons des fois, euh, nous avons aussi parlé donc des retenues d'eau dans les saisons, oui, avec la saison pluvieuse, il y a certains pays qui profitent euh, de, de, cette saison pluvieuse pour faire des retenues d'eau, pour pouvoir non pas poursuivre, pour pouvoir poursuivre la récolte euh, l'agriculture après. <laughs> Donc je me dis que, en fait, c'est vrai, la crise alimentaire, elle est là, on n'y peut rien. Maintenant, il faut tout simplement euh, dire euh, ce qu'il faut faire, c'est vraiment que ça, les bénéficiaires doivent en bénéficier parce qu'il ne s'agit pas de demander aujourd'hui l'aide alimentaire. Mhm. Mais quand l'aide alimentaire vient aussi, il faut savoir aussi à qui les donner. C'est ça, en fait, le problème. Que dire donc sur cette situation de crise, alimentaire qui prévoit dans le pays euh, oui, je pense que c'est assez récurrent d'observer chaque fois, effectivement, le gouvernement fait appel aux partenaires euh, au développement <laughs> pour gérer euh, la crise alimentaire. Je pense que Mme l'a dit. Mhm. Il va falloir donc mettre l'accent sur la production euh, la philosophie de trois euh, mérite euh, donc on doit aller en profondeur, mm-hmm. c'est-à-dire que si le, c'est les années donc agricoles qui sont déficitaires. Mm-hmm. Donc, on doit mettre l'accent sérieusement sur donc, la, les cultures de contre-saison, comme on dit, pour produire suffisamment, donc, aider les producteurs en tout cas à avoir. Et c'est pourquoi euh, je pense que, selon nos informations, le projet Kandaji, en tout cas, euh, d'ici en tout cas fin 2025 va mhm. être opérationnel donc on peut penser on peut espérer que véritablement ça puisse contribuer à produire davantage euh, en plus de l'énergie qu'il va donc offrir au, pays mais aussi donc qu'il ait vraiment une certaine rentabilité en termes au niveau agricole, euh, donc il y a des initiatives, euh, euh, je pense, salvatrices par nous-mêmes d'abord. Et je pense que les partenaires doivent se convaincre qu'effectivement, cette façon de venir en aide de façon récurrente, on doit dépasser parce qu'en vérité, même si on, on va cibler euh, la réalité entre la population identifiée qui a besoin d'aide euh, d'urgence et la réalité. Parce que vous voyez un peu, euh, le vrai débat, c'est la question de la alimentaire. Ça, c'est seulement pendant, on va dire, la saison qu'on appelle la saison de, de, de la période de, soudure. mais des gens qui n'ont pas produit à cause de, sécurité. Et c'est toute l'année, ne peuvent pas avoir deux repas par jour. Et ça, vous savez très bien que euh, les partenaires savent effectivement les, donc les critères. Euh, vraiment euh, qu'il y a un minimum qu'il faut, qu'il faut. Et par conséquent, c'est l'accès à l'alimentation où véritablement même les zones qui ne sont pas identifiées, à un certain moment de l'année, vers le mois de juin, juillet, vous allez voir que même ces zones qui sont considérées comme non déficitaires, effectivement, les gens n'ont pas accès à, deux, repas. Donc, c'est dire que, franchement, euh, c'est la situation globale du pays qu'il va mhm. falloir donc euh, dire que, franchement, la question d'autosuffisance alimentaire, c'est toujours une réalité. Mhm. C'est un rêve de tous les régimes qui sont succédés. Euh, mais je pense qu'il va falloir, comme elle a dit, mhm. non seulement chercher à mécaniser l'agriculture, mais surtout vraiment permettre aux personnes d'être résilientes en motivant en tout cas la production. Hussein Issa, quel impact cette situation de crise alimentaire a pu avoir euh, sur le pays oh, quel impact J'ai commencé par dire je du fatalisme ici, être... de euh, la PAC de Maimouna. En situation on n'y peut, rien. Mm. On peut bien changer les choses. En réalité, c'est la volonté qui n'y est pas. Fatih, cette situation-là, d'une année à l'autre, chaque fois qu'on finit une campagne agricole, on dit qu'il y a déficit. déficit. Ça signifie quoi Ça signifie qu'il n'y a pas un véritable accompagnement des paysans, des producteurs ruraux. N'est-ce pas On fait des plans, on met en place des initiatives, mais on reste dans la théorie il faut dépasser la théorie. Venir faire des ouvrages, de ceci, cela, c'est de l'argent que ça injecte, on injecte dedans inutilement. Il faut aller vers les paysans, les organiser, créer les conditions pour qu'ils puissent avoir, dans des conditions souples, des matériels leur permettant de pouvoir produire en quantité. On dit la saison de pluie n'a pas été bonne. Mais qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, la pluie va être abondante cette année, tout le monde a vu quand ça a débuté, c'était bien. Et vers la fin du mois, vers la fin du mois d'août, ça s'est arrêté net. Au moment justement où les cultures avaient besoin, mhm. de l'eau. D'eau. Il n'y a pas de miracle. Hein. Quand on est dans un contexte où le climat, on n'a pas une maîtrise sur ça. On parle de changement climatique, changement climatique, les gens se contentent de dire dans le discours il faut mobiliser les eaux, créer les conditions pour qu'à partir des eaux mobilisées, développer l'agriculture irriguée. Vous avez visité quand même euh, un peu, comment on appelle ça, euh, la foire, les gens d'Agadez qui sont venus. vous avez Vu, voilà, mhm. vous avez vu ce qu'ils produisent. Est-ce qu'il pleut en quantité dans la région d'Agadez Il n'y a pas suffisamment de pluie. C'est les eaux. Les oasis c'est ça, ils exploitent et ils font des recettes importantes. C'est-à-dire les changelots, les oranges, les... tout ce qu'ils apportent là. Il y en a qui ont fait des recettes de plus d'un million, deux millions, mhm. trois millions, qui peuvent leur permettre d'acheter du mille, en tout cas des céréales pour pouvoir manger et tenir. Mais il faut toujours tendre la main. Moi, je dis, c'est une honte pour un pays. Qu'à la fin de chaque campagne agricole, on dit, il y a déficit, on va aller dire aux partenaires, de Allah, venez. On, oh, si vous ne venez pas, il y a tel nombre de personnes qui vont crever de faim. Comment ils peuvent nous respecter On a le même, laisse-moi finir, on a les mêmes, la même architecture au niveau, comment dirais-je, la, même, le même climat que le Burkina Faso, n'est-ce pas Est-ce que vous avez entendu le Burkina dire Ah, on a besoin, chaque année, on n'entend pas ça. De temps en temps, ça arrive. Mais ce n'est pas de manière. Parce que tout simplement, ils ont compris la politique qu'il faut mener. C'est la politique de l'exploitation de l'eau de surface, les eaux souterraines, pour pouvoir produire en quantité. Mais ça nécessite l'accompagnement de l'État, l'organisation des paysans. Mais Munigado, alors, euh, pour faire face à cela, le gouvernement a lancé euh, ce 15 février un plan de soutien et de réponse humanitaire à 2022 avec un budget de 219 milliards à 2 francs CFA. Alors, euh, que faut-il retenir sur ce plan de réponse humanitaire mis en place par les autorités Mais le plan euh, mis en place par euh, les autorités, c'est ce que nous sommes en train de mhm. dire que euh, c'est ce que Hussein vient de dire, qu'on n'a pas besoin à chaque fois de tendre la main à ces partenaires-là pour qu'ils puissent euh, nous venir en aide. Parce que si chaque année, comme il a dit, il faut que ces partenaires euh, viennent au secours du Niger pour faire sortir 4 millions ou 6 millions de la famine, donc euh, c'est vraiment mal vu. Mais je me dis que quand la situation est là, on ne peut rien. Quand la situation est là, on est obligé de tendre la main des fois pour qu'on vienne nous aider. Mais maintenant, pour que ça ne soit pas euh, chaque année, il faut que nécessairement nous-mêmes, l'État nécessairement, investisse dans ce secteur, comme on l'a dit. Sinon, si on n'investit pas dans ce secteur, toujours on sera obligé de tendre la main. Il y a ce que euh, Alain dit tout à l'heure, mhm. les trois N. Les trois N, c'était vraiment pour accompagner, en fait, nos cultures. Ça veut dire pour accompagner l'autosuffisance mhm. alimentaire. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que trois n aussi, ça n'existe plus. C'est comme si c'est de la politique, en fait. Mais il n'y a pas de concret. Donc, il faut aller vers le concret. Mhm il faut améliorer ces cultures. Il faut donner le pouvoir euh, de pouvoir acheter les engrais, très, euh, les engrais moins chers, vendre ça moins cher à ces cultivateurs, donner la possibilité, comme il a dit, de créer des banques agricoles suffisamment mm-hmm. qui vont accompagner ces cultivateurs. Parce que tout ce que tu entreprends, s'il n'y a pas, en tout cas, une main, un soutien financier, de la part de l'État, tu ne peux pas, en fait. Vous ne pouvez pas arriver à ce que vous voulez faire. Donc, c'est ça le problème. Alain Suleiman, pensez-vous euh, que les opérations de distribution gratuite ciblées ainsi que la vente à prix modéré des céréales initiées par le gouvernement peuvent pallier à cette situation d'insécurité alimentaire à laquelle donc font face euh, près de 4 millions de personnes euh, C'est une réponse d'urgence pour gérer vraiment des situations euh, de personnes vraiment en détresse dans une nécessité, mais je ne pense que ce n'est pas la bonne pratique. Euh, moi, à l'occasion d'un atelier euh, de cela, deux ans à Agadez, j'ai vu un ancien, un, agronome à la retraite qui parle des de 5 N, c'est possible. 5 N, les Nigériens, les Nigériens et, les non-Nigériens. Donc il voit ça à 5 N. Et il dit c'est bien hmm. possible eh, eh, pour voir l'exemple, tu vas voir quand les gens, les producteurs, sur leur terrain, ils ont investi, mhm. tu vas voir, à même temps, ils font l'agriculture et l'élevage, ils produisent beaucoup. Et il y a aujourd'hui des catégories de Nigériens qui font cela, qui, arrivent à émerger économiquement parlant parce que tout simplement, ça donne. Mais si, euh, effectivement, euh, ça, montre clairement que si on investit sérieusement dans l'agriculture, on pourra véritablement euh, sortir. L'exemple que tu as donné des jeunes d'Agadez. Mm-hmm. Effectivement, vous voyez, cela veut dire que si on met les. il y a non seulement la, volonté, accompagné par, par exemple les gens ont besoin des engrais. Mm. Est-ce que la politique euh, d'engrais au Niger permis vraiment aux paysans qui ont la volonté d'accéder vraiment le, au prix accessible Donc, euh, on, on le sait, en tout cas, l'État doit conséquemment subventionner l'agriculture. Euh, donc, euh, je pense que il va falloir, en tout cas, pour trouver la solution, inverser la tendance. Euh, il faut simplement mettre entre place cette pratique-là de venir aussi. Et la question est encore plus compliquée avec la sécurité. J'ai vu hier, par exemple, une initiative au niveau du Conseil national de l'alerte précoce, mhm. une initiative conjointe à la CDAO avec donc, le Niger. On crée un centre donc, sous-régional qui allie donc sécurité, riposte sur la, gestion de la crise alimentaire, tous ces, défis, en tout cas sanitaires qu'on a, euh, c'est une bonne chose. La CDAO est venue en, en appui. Ils ont je crois, un chèque de, 20 <laughs> 000 euh, dollars. ça, ça c'est pour vraiment prévenir. Mais je pense que c'est des cadres qu'il faut. mettre véritablement, si on veut euh, vraiment sortir de l'ornière, c'est franchement qu'il y ait suffisamment de production. Oui, et là, le gouvernement a initié donc euh, la distribution ciblée, gratuite, euh, ciblée, donc et la vente à prix modéré euh, chaque année <laughs> en temps de crise. Est-ce que cela peut vraiment alléger la souffrance des populations Oui, ça, peut alléger. je sais que vous dites, que c'est la, vente à prix mhm. modéré, à ce moment précis, gens n'ont même pas de quoi, ils ont besoin de, gratuit, ils n'ont même pas de quoi accéder. Même si on voit le, sac de riz, en tout cas, ils n'ont pas le, pouvoir d'achat. Mm. Et vous voyez, maintenant, on en parle effectivement de cette flambée de, prix. Donc, en vérité, j'ai dit, c'est des façons cosmétiques de gérer pour le moment les, questions d'urgence, mais à la langue, on doit vraiment euh, tourner cette page, quoi. En tout cas, c'est pas la solution, en tout cas, pour gérer un pays. Là. Voilà, passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Une hausse des prix des produits de première nécessité est enregistrée à partir du dernier trimestre de l'année 2021 selon les conclusions du Conseil des ministres du 24 février 2022. L'évolution des prix sur un an est de 9,7%. Les causes de cette hausse des prix des produits donc est liée à la mauvaise récolte à la pandémie de la COVID-19 aux mesures d'interdiction d'importer des céréales vers le Niger par certains pays voisins. Ousseini Issa, comment expliquer réellement cette hausse des prix des produits de première nécessité au Niger Bon, quand j'ai un peu parcouru la communication du ministre de l'Agriculture, il y a un passage où il disait que par rapport à un certain nombre de produits, mm. c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que, bon, par exemple, les produits de première nécessité, mm. le lait, le sucre, un peu, comme avait dit, la farine, y compris même quelque part les céréales. Quand je lis jusqu'au bout, j'ai compris que bon, c'est une façon de se désengager. Mm-hmm. Bien évidemment, le commerçant, quand on lui dit, l'argument consistant à dire, bon, à cause de Covid, le coût de transport a augmenté. N'est-ce pas C'est ça le principal argument. On parle de chez par là, en tout cas, mauvaise campagne agricole et tout et tout. On parle d'insécurité et tout. Bien évidemment, ça arrange les commerçants. Vous voulez, voulez-vous que eux ils, quelque chose dedans Non. Dans un pays, un gouvernement doit pouvoir prendre ses responsabilités, tenant compte du revenu des populations. On ne peut pas laisser les gens faire à leur guise. Par exemple, j'ai observé un produit, l'huile. Chaque semaine, ça augmente le prix du litre. Chaque semaine, il y a une augmentation sur le prix du litre. Le sucre, même chose. Même les non alimentaires, les produits non alimentaires augmentent, comme le savon et autres, moins et autres. Est-ce que le gouvernement ne peut pas, connaissant bien ce quoi jusqu'à l'arrivée, combien le commerçant dépense, est-ce que le gouvernement ne peut pas dire, bon, plafonner, voilà les prix, et on les impose. Maintenant, on informe les citoyens. Vous voulez du sucre le paquet de sucre fait 1000 francs. Personne ne doit vendre un paquet de sucre à 1200 ou 1300. Bientôt, c'est le mois de jeûne. <laughs> Ça dit que d'ici là, ça va, aller à 1500, n'est-ce pas Le gouvernement voit, il observe. Il, voit que un peu ce qu'il gagne, il ne voit pas la situation des consommateurs. Parce que c'est ça, quand on ne régule pas le commerce, on se retrouve dans des situations comme ça. Ça va continuer à flamber, je ne me fais pas d'illusion. Je ne me fais pas d'illusion à l'époque où il y avait un système de régulation. Quand on dit voilà le prix, c'est ça le prix. Même dans une campagne, quand vous allez chercher le produit, c'est au prix là que vous allez, vous allez l'acheter. Maintenant, dans un même couloir, il y a un tablier ici, il y a un tablier. Ce que tu as acheté ici à 100 francs, devant, on va te dire 125, ça prend d'où à laisser. On a vu avec le pain. Mais Gado, alors, euh, quel impact euh, cette hausse des prix euh, des, premières, des produits de première nécessité peut avoir sur les ménages Sur les ménages, Fatih, <laughs> ça a toujours affecté les, consommateurs nigériens, cette situation de prix qui augmente. Le matin, tu viens, le soir, c'est pas le même prix ça affecte beaucoup mhm. parce que déjà le pouvoir d'achat, il faut regarder le pouvoir d'achat des Nigériens. Aujourd'hui, si quelqu'un peut dépenser à hauteur de 10 000, euh, une autre personne ne peut pas dépenser au moins de 000 francs. Ça veut dire que, comme l'a dit Husseini, aujourd'hui nous sommes à deux pas du mois de jeûne. Et déjà, nous assistons à ce que nous voyons, des prix qui, flambent tous les jours. Le sucre à 1200, ailleurs c'est à 1300. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniformisé ce que l'État peut faire, c'est d'uniformiser pour que nous autres citoyens qui n'ont pas le pouvoir d'achat véritable pour pouvoir acheter ces produits-là, pour qu'on puisse les avoir moins chers. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mm. que l'État aussi essaie de voir. n'est pas l'argent qu'il est en train de prendre avec ses commerçants. Il est en train de mettre de l'argent dans ses caisses. Mais de l'autre côté, c'est les Nigériens, les, Nigériens, les citoyens qui sont en train mm, de mm, souffrir. Aujourd'hui, même ce que nous produisons ici au pays, on n'a pas accès à ça moins cher. C'est cher. Aujourd'hui, si on doit acheter l'huile, euh, déjà, on, nous fait savoir que l'huile, tous les jours, ça, ça ne fait qu'augmenter le prix. Les 5 litres de bidon sont aujourd'hui arrivés à 7 000. Donc, ça veut dire que d'ici le mois prochain, ça veut dire qu'on risquerait d'acheter les 5 litres d'huile-là à quelque chose de 8 000, 9 000, voire 10 000 même. Ça peut être possible c'est le Niger. De la même manière qu'il n'y a pas de réglementation au niveau des écoles privées, quand je prends l'exemple, c'est la même manière qu'il n'y a pas de réglementation au niveau de ce que nous consommons. Donc il faut que l'État euh, essaie de voir la situation de nous autres Nigériens pour que vraiment nous puissions euh, ne pas être dans cette situation. Parce que aller au marché aujourd'hui, je, vous assure, ce n'est pas de gaieté de cœur. Certains marchés de la capitale sont d'ailleurs restés fermés le mercredi à l'appel des syndicats des commerçants pour dénoncer, entre autres, cette hausse des prix euh, des produits de première nécessité. Qu'en pensez-vous de cette décision euh, de ces commerçants euh, Je pense que les commerçants, leur lutte, il faut faire la part des choses. il Ils ont des choses à revendiquer. Mhm ils sont frappés par, euh, par exemple, euh, la, facture certifiée, euh, des mesures d'impôt, en tout cas, des douanes, tout ça. Ils ont des problèmes vraiment qui pensent que font, font, obstacle à leur business, à leur commerce. Mhm. Que le mercredi, donc, mars, plutôt, le, le, le, Premier ministre a rencontré donc, les commerçants à, Mahatma Gandhi. Mhm. À cette occasion, il y a une discussion où les gens ont fait cas de leurs euh, difficultés. On a d'abord identifié les causes de la flambée. Mhm. Où il faut le dire, n'est pas seulement notre pays, c'est de la sous-région et le gouvernement sont en train de prendre des mesures pour effectivement euh, soulager les populations. Euh, il y a entre autres raisons qu'on n'a pas annoncées ici, il y a aussi la crise, la situation, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine là, ces deux pays, c'est des deux pays producteurs de matières premières et ça impacte déjà en fait euh, au niveau mondial donc les, les, Donc ce qui fait que euh, va falloir tenir compte. Autrement dit, la situation si la guerre perdure, la situation va effectivement s'aggraver comme l'avait dit tout à l'heure Maimouna. Mais euh, j'ai suivi les relevés de conclusion faits par le Premier ministre lui-même. Il a fait la synthèse euh, donc, de ce qui a été dit, euh, les causes des problèmes, euh, les problèmes en tout cas auxquels sont frappés les commerçants, maintenant, on attend les réponses que le gouvernement va apporter. Uh-huh. On va centrer effectivement si ces mesures vont véritablement permettre en tout cas aux populations d'avoir une sorte vraiment de, de, de répit. Uh-huh. Parce que en tout cas la tendance, si vraiment elle, elle continue, franchement, les jeunes n'auront pas accès au minimum, au vital parce que simplement, déjà avant cela, euh, il faut le reconnaître, le revenu du Nigérien moyen, en tout cas, c'est très, euh, faible. Mm-hmm. Donc cela veut dire que si déjà à l'État, bien avant cette situation, ça a été compliqué si effectivement euh, le, le, le, sucre en farine que vous avez, par exemple, avant le kilo à, à 500, mhm. il est maintenant aujourd'hui à 700, 750. Mhm. Donc, vous voyez, ça, c'est des situations qui grèvent vraiment le, le budget au niveau des, des familles vraiment euh, vulnérables. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à la septième édition du Salon de l'agriculture de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage à Sahel-Niger 2022 sous le thème L'agriculture nigérienne dans les zones de libre-échange continental africaine ZLECAF. Comment assurer la modernisation des techniques, la compétitivité des chaînes de valeur, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je commence par euh, Hussein Issa. Avez-vous fait un tour donc au salon Sahel euh, Niger Malheureusement, non. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été, mais lors des éditions précédentes, j'ai eu à faire un tour. On revient à la même chose. Hein. Quand tu regardes un peu ceux qui sont venus au salon, là, Fatih, avec leurs produits, avec, euh, comme on avait dit, moderniser si on veut, on peut, je peux m'exprimer ainsi. Mm-hmm. Ce pas des pauvres types. Hein. C'est pas des pauvres types. Ils sont venus, c'est des gens qui investissent dans l'agriculture, dans l'élevage, qui développent des technologies, comme avait dit, localement, pour pouvoir améliorer, perfectionner. Mais ils représentent combien à l'échelle du pays C'est une poignée. Le gros de la troupe, ce sont ces paysans-là qui sont toujours avec euh, Daba et, Hilaire. Parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir exploiter leur terre avec mhm. efficience. Parce que tout le problème est là. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des engrais. Ils n'ont pas les moyens d'acheter du matériel aratoire, comme on avait dit, moderne, ou semi-moderne même. Ils n'en ont pas. C'est toujours la même chose. Bon, ils sont venus, tout le monde est content, tout le monde a vu, voilà comment on peut transformer le mille, voilà quel mécanisme on peut. Mais tout ça, ça demande de l'argent. Ça demande un accompagnement. Ce pas des gens pauvres, type un pauvre paysan qui est là-bas dans son coin vers un peu dans la, dans, la brousse de Balayar, en profondeur. Ce pas lui qui peut venir à ce salon-là présenter quelque chose. Parce qu'il n'a rien à présenter. Il n'a peut-être même pas à manger. C'est pour ça que j'ai dit, ça revient. ce salon là je mhm. dit, dire, voilà ce que nous produisons. Voilà ce que quelques Nigériens produisent qu'on peut dupliquer. Si l'État veut bien, on peut dupliquer, créer les conditions pour que les populations, même qui n'ont pas suffisamment de ressources, mhm. puissent avoir des mécanismes de soutien pour pouvoir faire ce type de production-là. Mais est-ce qu'il y a cet accompagnement Il n'y en a pas. Quand vous visitez certains jardins dans les parages, dans les parages le long du fleuve, un peu même en profondeur, mhm. vous allez constater, vous allez voir des merveilles. Les gens, ils investissent sur l'argent. Ce n'est pas. Mais quelle que soit ta force physique, qu'est-ce que tu peux faire Quand c'est tes muscles que tu mets, seulement tes muscles, tu peux faire quoi Voilà un peu l'enjeu. On dit l'agriculture, l'élevage, les deux m'amènent. Qu'est-ce qu'on met véritablement en termes même de budget Ça n'atteint pas 10%. Alors, les instruments qui sont là, qui devaient normalement accompagner, on a démantelé les instruments, comme l'ONAHA, comme mhm. un peu. tout ça. Quand j'ai vu Icrisat partir d'ici, l'Ikrizat, le centre était ici au départ, mhm. pendant des années et des années. Quand ils ont vu que, bon, ils font des choses intéressantes, mais que les gens ne s'intéressent pas. Ce n'est pas que les gens ne s'intéressent pas, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens de pouvoir accéder, parce qu'il faut payer. Mhm. La richesse, ça demande beaucoup d'argent. Ils font du social. Ils se sont délocalisés pour aller au Burkina, une partie, une autre partie au Mali. Pas de miracle. vous avez fait un tour à la foire Sahel-Niger Oui, j'ai vu un peu le nouveau de euh, fest, fest, festival du mille. Euh, ils, ont, fait coïncider le Sahel, le salon. Avec le Euh, avec mm. Le, salon a commencé le 26, 26 euh, au 2. le festival du mille a commencé le 28 au 2. Donc, mm-hmm. ils ont fait la clôture. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'était vraiment très intéressant. moi, le, le, le, plus important, c'est le partage d'expérience. Mm-hmm. Euh, donc, parce qu'il y a, je crois, d'autres pays, je crois que 6 à 7 pays qui, étaient venus. Euh, donc, euh, c'est cette façon de partager les, donc, les, expériences. Il a dit effectivement, il faut encore avoir les moyens d'investir parce qu'on peut avoir de bonnes recettes, mais lorsqu'on n'a pas le minimum, en tout cas, pour en tout cas, implémenter pour vraiment donc ça, euh, c'est un, obstacle. Et comme il l'a dit, je confirme effectivement, on a vu euh, des, producteurs, en tout cas privés, euh, au niveau de, l'agriculture et de l'élevage, qui n'ont rien à envoyer, En tout cas, ça montre l'expérience, ah, parce que c'est ici privé, mm-hmm. mais ça prouve que s'il y a beaucoup de, qui sont accompagnés à le faire, ça pourra. Effectivement, c'est une chose sur le, marché. Mm-hmm. C'est des Nigériens qui produisent ça. Donc, par exemple, vous avez été, des privés. Moi, par exemple, vous avez été euh, beaucoup marqué par. Euh, mais bien, sûr, bien, sûr, on est marqué. Par exemple, vous allez voir que euh, avec le mille, quand je parle du festival du, du, les différentes variétés de l'utilisation mm. qu'on pourrait en mm. faire, mais aussi la réflexion, comment produire, adapter ça au, au, climatique mm. comment justement réfléchir, comment faire du mille adapter donc à ce défi donc changement climatique mhm. et, donc tout ce que c'est comment on appelle ces panels qui ont été animés en tout cas de donc de, de, réflexion mhm. où les scientifiques euh, vraiment des gens sont venus partager leur expérience c'est une très bonne chose mhm. et je pense que le ministère de l'agriculture euh, euh, ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, je pense qu'on a vu l'autre fois, au niveau, aujourd'hui, des, des, paysans ont fait une sorte de, du forum donc de, de de, de, paysans, euh, dans l'optique de les aider comment en fait avoir euh, accéder à l'investissement, comment le, investir en tout cas de l'agriculture. C'est une très bonne chose, mais mm-hmm. jusqu'ici, euh, je pense comme direz l'autre, on voudrait voir concrètement. C'est parce que on a vu en amont donc cette question de de gestion des crises, de crise alimentaires mm-hmm. qui, est récurrente, c'est la voie idéale, Effectivement, il a, raison. Quelle est l'apport du budget national pour, pour, l'agriculture On va dire qu'avec l'insécurité ambiante, il faut attendre. Mais je pense que fondamentalement, même la question et le de, de, sécurité, on a vu sont euh, son pendant, c'est aussi la question de développement, parce que aussi c'est le manque de, de, de de, substances mhm. qui, fait que souvent certains sont, sont, sont recrutés euh, ça a roulé en tout cas dans le, mouvement terroriste. Mhm. Euh, bref, je pense que c'est une euh, très bonne chose. mais je dis que la, la, question montre véritablement le défi que nous avons donc de produire de la nourriture pour nous-mêmes, mhm. parce qu'en réalité, comme on dit, les, on dit les, les Chinois, vaut mieux t'apprendre en tout cas à comment pêcher que vraiment de te donner du poisson. Et c'est cela justement le défi. Et tant que les gens n'arrivent pas à produire, euh, notre confrère euh, Moussa pour, vraiment parler. Une fois on est allé à, son jardin, il dit Moi, quand le patron de Troisième m'avait appelé, il viens, je vais te montrer. Parce qu'autrement dit, déjà, mhm. lui, il est en avance parce que j'ai vu le système d'arrosage israélien dans son jardin. Franchement, c'est impeccable de voir lui, il produit. Euh, donc, vraiment, de sorte que à partir de son exemple que que, que, que j'ai vu, mhm. j'ai vu il est possible effectivement, il suffit d'avoir des moyens, investir dans l'agriculture effectivement pour vraiment tout simplement oublier certaines choses et vous allez voir qu'effectivement effectivement comme on l'a dit, mhm. la terre ne ment pas, effectivement, ça permet véritablement de faire des rêves, d'investir, parce que vous allez voir que ces gens-là, ces producteurs privés, ils inondent le marché avec euh, le citron, tout, ce, produit, en tout cas, de, euh, euh, recherché pendant donc, sur, le, marché. Mais donc, comment il faut donc améliorer l'organisation du Sahel Niger pour qu'il soit plus bénéfique aux participants. Comment est-ce qu'il faut améliorer la foire pour que ça soit plus visible C'est une foire euh, de toutes les mêmes manières. Euh, c'est une exposition des produits agroalimentaires de chez nous. Et ils ont également invité, comme l'a dit Alaïs, plus de cinq pays étaient représentatifs euh, au cours donc, euh, de cette foire. Maintenant, comment l'améliorer C'est vraiment de les soutenir. De, de, soutenir euh, les réalisations faites par ces femmes, ces hommes, ces jeunes, pour que l'année prochaine, pour qu'il y ait plus de production, pour qu'il y ait plus de jeunes, pour qu'il y ait plus de femmes mm. et plus d'hommes euh, qui accèdent donc euh, euh, à lagro faut, pastoral mm. Donc c'est un accompagnement de tout ça que l'État doit mettre en avant et également parce que quand on fait, on dit la promotion de, l'agriculture et de l'élevage, c'est justement pour que l'année prochaine, pour qu'on mm-hmm. puisse voir la réalité des choses. Il faut que ça soit qu'on ait plus plus de quoi montrer mhm. l'année prochaine. Donc, ça veut dire que déjà que les jeunes ont compris qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat, les femmes aussi ont compris qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat. Donc, maintenant, c'est déjà un atout pour le pays mhm. <laughs> parce qu'il nous faut quelque chose à vendre dans les autres pays. Mhm. Et je pense que, comme on parle de CELECAF, le Niger a quoi à vendre d'abord dans, les autres pays. Maintenant, il faut réfléchir à une quantité, mais à une qualité de produits que nous pouvons vendre au-delà de nos frontières. Mhm. C'est très important. Il ne suffit pas de venir montrer ce que nous produisons. Mais ce que nous produisons aussi, il faut la qualité dans mhm. tout ça. Dans tout ce que nous faisons, il faut la qualité. Mhm. Maintenant, il faut aller vers la qualité, renforcer la capacité et la quantité de ce que nous produisons. Et je pense qu'on euh, on n'aura pas à, euh, à envier à d'autres pays, certainement. vous pouvez ajouter quelque ajouter. D'abord, cette autosatisfaction de la présence des pays, des autres pays. En réalité, qu'est-ce qui se passe Quand ces pays-là viennent, c'est pour voir. Et quand ils prennent, ils amènent chez eux. Ils créent les conditions pour que ça soit vulgarisé. Ça renforce leur agriculture. Ici, les innovations technologiques, on les découvre ici, mais c'est ailleurs que ça sert. Mm-hmm. N'est-ce pas quand je vois un peu, comment dirais-je, les systèmes de retenue, comment dirais-je, de récupération de sol, les Burkinabés sont venus apprendre ça ici. Allez-y voir les zones arides du Burkina, comment ils ont pu développer ça. Parce qu'il y a eu un accompagnement. Tout le bruit qu'on est en train de faire, comment faire en sorte que... Là, non, il faut se dire comment faire en sorte que l'agriculture puisse nourrir le Nigérien. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas d'abord, il faut d'abord manger à sa, à faim pour pouvoir exporter, non. on n'a même pas produit pour nous. Euh, à plus on parle de Zélectaf. On fait un lien avec Zélectaf. Zélectaf, on va être inondé. Dans les affaires, dans, la situation de, comment diriger, comment le renchérissement des prix des produits, on a bien cité qu'il y a des pays qui ont dit ils ferment. On a mis ça dedans, non tout ça là doit nous amener à nous dire, honnêtement, on ne doit pas continuer à attendre des autres. Localement, on peut monter des choses. Il y a des gens qui font des innovations. Quand je vois Canela qui est là, comment on appelle ça, qui, fait la télé-irrigation et tout et tout. Il est là. Mhm. Quand je vois, c'est ailleurs. C'est ailleurs qu'il a de la visibilité. Parce que c'est ailleurs déjà. Mais ici, localement. Alors que le gouvernement doit pouvoir accompagner. Quiconque a une initiative, en tout cas capable de mhm. booster les commandes l'agriculture ou l'élevage, il faut soutenir et il faut vulgariser. Il faut créer les conditions et ça demande de l'argent. Je reviens toujours à la question mhm. d'argent. Les bien beaux, il faut une masse critique de producteurs. Quand tu vas dans les pays développés, le nombre de, de producteurs là, c'est une masse infime. Mais ce qu'ils produisent là, ça nourrit leur population jusqu'à exporter l'excédent. c'est pas possible. Oui, oui, rapidement. Il y a un aspect vraiment important que j'ai mhm, constaté aussi à l'occasion de ces rencontres. Euh, c'est aussi apprendre à nos producteurs comment transformer et rentabiliser leurs produits. Parce mhm. que souvent, les gens n'ont pas aucune idée. On produit par exemple de la tomate, on regarde ça, si c'est pas ajouté. Absolument beaucoup, de, beaucoup, de choses, ça, se gâte. Donc là aussi, on est en train d'indiquer aux gens comment transformer des produits pour en faire vraiment, pour vraiment tirer le maximum de profit. Parce que lorsque, par exemple, l'oignon, l'oignon, l'oignon de le en, tout cas, euh, c'est labellisé aujourd'hui mais beaucoup, en tout cas, ont des difficultés. Comment conserver euh, l'oignon à un certain moment Donc, il y a tous en tout cas, cet avantage-là. On apprend aux gens vraiment à rentabiliser. Euh, donc, et je pense que ça demande des de, de moyens pour la transformation. En fait, tous les défis qu'on a pour notre agriculture, ne sont pas de produire aussi il faut savoir bah, aussi euh, la donc, de bout en bout, en tout cas conserver, en tout cas profiter de, de la production. Quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses, en tout cas, des défis importants qu'on a compris à, l'occasion de ce salon d'agriculture. Je rappelle que la septième édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage a connu euh, son épilogue euh, ce mercredi 2 euh, mars 2022. Nous sommes donc au terme de ce forum du studio au Kalangou. Nous étions en compagnie de Elhaj Suleiman, directeur de rédaction du journal Niger Inter. Hussein Issa, journaliste indépendant, et Memouna Diado, journaliste indépendante. La présentation était assurée par Fatih Zakari. La réalisation, c'est Issa Lawali. La technique, Mustapha Ayouba. Merci aussi à, vous tous, chères auditrices, auditeurs, donc pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Rendez-vous samedi et dimanche à 17h sur nos 52 radios partenaires et 7 télévisions pour suivre le programme des jeunes avec Actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hossa sur le thème vidange des fosses sceptiques et transformation de goût de vidange à Niamey. Et le dimanche, le forum en germa sur le thème rôle de la langue maternelle dans la construction de l'identité. Merci. Euh, le programme continue hein, sous le studio Kalongo.